le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du forum Kalangu Il est 18h passé de 15 minutes à Niamey, c'est l'heure du forum de la presse du studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Vous suivez chaque jour les programmes du studio Kalangou qui sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz et Fanny FM 100 MHz, mais aussi à travers le réseau dynamique des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Lita Filengue, Benengaure, Magaria, Mainosoroa, Tamaske, Bouza, Dolben et Saï. Et depuis le début du mois d'août 2017, le réseau de diffusion des programmes du studio Kalangu s'est étendu aux auditeurs de Tanout, de Madawa, de Dakoro, de Dogonduchi, de Walam et de Kwartegui dans le deuxième arrondissement communal de la ville de Niamey. Notre page Facebook, c'est Studio Kalangu notre site euh, internet euh, www.studiokalangu.org. Comme chaque euh, vendredi à présent, c'est l'heure du forum de la presse, un rendez-vous hebdomadaire de la rédaction du studio Kalangu qui vous permet de mieux comprendre l'actualité au plan national. Ainsi, pendant trois quarts d'heure, nous aborderons quelques points saillants ayant marqué l'actualité la semaine du week-end écoulé à ce jour. Il s'agit tout d'abord des obsèques de nos quatre soldats tués à Tongo Tongo, un village situé à environ 80 km au nord-ouest de la ville de Wallam, région de Tilaberi à la frontière avec le Mali. Pour cette énième attaque terroriste, les États-Unis d'Amérique ont également perdu quatre de leurs soldats. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence des attaques terroristes malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires stratégiques dans cette guerre asymétrique Comment faire pour venir à bout dans cette lutte au plan sécuritaire, nous avons aussi cette euh, affaire de présumée tentative de coup d'État de décembre 2015. Les membres des familles des détenus continuent à implorer la clémence du chef de l'État afin qu'il puisse recouvrer la liberté. Quelle analyse faut-il faire des différentes sorties médiatiques des membres des familles de ces détenus depuis le vendredi 6 octobre dernier, les représentants de la nation ont débuté les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017. Cette session dite budgétaire qui durera 60 jours permettra d'examiner et d'adopter le projet de loi de finances proposé par le gouvernement. Le projet de loi de finances de l'année 2018 a arrêté le budget général de l'État à 1900,86 milliards de francs CFA. Cette année, les contribuables nigériens doivent faire beaucoup d'efforts dans le cadre de la mobilisation des ressources internes. Dans le registre politique, nous avons aussi la confirmation à travers un décret présidentiel de Maître Isaac Sonna comme nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante permanente CENI. Pour rappel, Maître Isaac Sunna a été sélectionné par un comité chargé d'étudier les dossiers avant d'être désigné par les partis politiques lors de la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP tenue le 30 septembre dernier en l'absence de l'opposition et des non-affiliés. Il avait été plébiscité dès au début par le CNDP avec euh, Idi Dauda. Au plan sportif, enfin, le MENA se trouve depuis le 2 octobre dernier en Inde où il participe à la Coupe du monde de la catégorie des moins de 17 ans. Après avoir vaincu la Corée du Nord, un but à zéro, il s'est incliné face à l'Espagne, Quatre buts à zéro mardi passé. Et le MENA qui vient de jouer son troisième match cet après-midi même, il vient malheureusement de perdre face au Brésil deux buts à zéro. Nous verrons également tout cela dans ce forum de la presse et pour euh, en débattre, nous avons ce soir comme invité trois Journaliste, Il s'agit d'abord de Gary Amodou du journal La Nation. Gary, bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième invité, c'est Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré. Issa, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Arimi Abba de la radio alternative. Arimi, bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Michel Dégé. cérémonie funèbre samedi dernier à la morgue de l'hôpital national de Niamey, des éléments des forces euh, armées nigériennes tombés sur le champ d'honneur le mercredi 4 octobre dernier dans une embuscade à la frontière avec le Mali. Il s'agit de deux mariés et deux célibataires, l'adjudant-chef Bayo Soumana, le soldat de deuxième classe Rachid Amadou, le soldat de deuxième classe Yacoub Issoufou et l'élève sous-officier Goubé Mohamedou, idée de la gendarmerie nationale. Le corps d'un quatrième soldat américain a été découvert à Tongo Tongo près des lieux de l'embuscade. Au Niger, un deuil de trois jours a été décrété suite à cette attaque qui a pour bilan officiel quatre morts côté nigérien et quatre morts côté partenaire, c'est-à-dire américain. Gary, quelle analyse vous suscite euh, cette euh, attaque de Tongo Tongo Oui, d'abord, avant de, faire l'analyse, euh, je présente mes condoléances aux familles des, des personnes disparues, aussi bien nigériennes qu'américaines. Tout à fait. N'est-ce pas euh, mm. Maintenant, après le deuil, après les larmes, il faut commencer à se poser des questions. Mm-hmm. Parce que, euh, d'abord, première chose, euh, j'ai lu un article qui a été publié sur VOA mm-hmm. et qui parle d'un article, un autre article de CNN qui a qui a, en tout cas, qui a assisté à l'entretien accordé à certains rescapés et à certains officiers de l'armée américaine qui ont dit que visiblement il y avait des complicités dans le village qui ont concouru à rendre possible cette attaque. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que ça, ça veut dire, parce qu'ils ont dit que pendant qu'ils étaient en train de s'entretenir avec les chefs locaux, mhm. eh bien, ils ont eu l'impression qu'on voulait les retarder pour qu'ils ne partent pas. Sachant tout simplement peut-être que les, terroristes ont été avertis qu'il y a des Américains ici et qu'il fallait venir peut-être les attaquer. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, maintenant, euh, euh, ce qu'il faut, faut, regretter, c'est le fait que, visiblement, ceux qui ont commis ce forfait-là, c'est vrai que les Américains ont dit qu'ils ont tué beaucoup parmi eux. Et qu'on on sait que d'habitude, les terroristes, quand ils perdent des, combattants, ils les transportent et ils les ramènent. Mais ce n'est pas ça le problème. Moi, ce qui m'écœure, c'est le fait que les terroristes, apparemment, ont regagné leur base sans encombre. Et ceux qui reposent la question, maintenant, des forces étrangères qui sont actuellement au Niger, qui ont des moyens matériels et techniques extrêmement importants, mais dont on ne voit pas l'utilité. Par exemple, les drones il y a des avions de chasse. Mais comment se fait-il que les terroristes vont, parcourir des centaines de kilomètres, venir frapper et retourner tranquillement Moi, pour moi, c'est inadmissible. Pour moi, je ne peux pas comprendre. Pourquoi parce que j'ai dit qu'il y a des forces étrangères qui ont des moyens techniques extrêmement importants, qui ont des satellites, qui, qui, voient, tout mouvement. Et les forces viennent, les forces terroristes viennent, elles frappent. C'est vrai qu'elles perdent des hommes, mais ce qui m'inquiète, c'est que pour moi, dès que vous venez frapper, vous ne devez pas retourner, on devait tous vous anéantir. Tout à fait. Donc, et moi, c'est ça qui. Vraiment, il faut que les, forces militaires nigériennes et américaines puissent s'asseoir. Mhm. Et même toutes les forces euh, étrangères qui, sont euh, euh, sur le sol nigérien, mhm. n'est-ce pas Eh bien, qu'on puisse s'asseoir pour réfléchir comment est-ce qu'il faut faire. Parce que dans l'élément que VOA nous a publié, il semblerait que les Américains ont dit que les Nigériens refusent à ce qu'il y ait des frappes aériennes sur leur territoire. Mais il n'y a pas eu de version officielle euh, Non, c'est VOA News. VOA, c'est la pas, la radio trottoir, non. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire C'est pas radio trottoir, c'est pas non, non. on te parle de VOA News qui cite CNN et CNN c'est du sérieux. Il y a des chaînes de télévision. Il a n'y a pas de voix officielle. je vous dis euh, ce que les Américains ont dit. je vous dis que les Américains ont dit sur, ces, chaînes de télévision-là. Maintenant, on n'a pas eu la version effectivement des, locaux pour pouvoir euh, dire. Voilà. Mais une chose est sûre, pour le moment, nous, on n'a pas eu cas, on n'a pas eu vent de frappe aérienne mhm. des forces étrangères sur le sol nigérien. Donc ça corrobore quelque part ce que les Américains peut-être ont dit. Ils ont dit qu'on le refuse de faire la Maintenant, bon, il faut s'asseoir. Parce que pour moi, j'ai dit bien, les terroristes peuvent venir attaquer. Ça, on sait qu'ils le feront toujours. Mais pour mhm. moi, un terroriste qui vient attaquer doit savoir que quand tu viens attaquer, tu vas mourir. Parce que, en tout cas, tu ne vas pas retourner chez toi il y a des frappes, il y aura des drones, tu vas, tu vas mourir, c'est sans doute. Ça doit être sûr quand même, euh, oui, ça, Madougou. Comment faire pour arriver à vaincre euh, C'est inquiétant quand même, c'est vrai, avec euh, ce qu'on n'a pas avec CNN, la télévision américaine et la VOA. Comment faire alors face à, Mais à ce dilemme tout d'abord, je présente mes condoléances le président aux familles des disparus, mmh. prompt rétablissement je vois que cette recrudescence d'attaques contre nos forces de défense et de sécurité vraiment doit nous interpeller. Hum. Et moi, j'aimerais vraiment insister sur le point que Garé vient de finir avec. Toutes ces bases étrangères, à quoi ça sert réellement Ils ont du matériel sophistiqué. Mais comment se fait-il chaque fois on dit que des gens viennent, ils traversent la frontière, ils viennent, ils attaquent, ils tuent et ils repartent tranquillement Jusque-là, on ne sait même pas, même les informations qui circulent sur l'identité des assaillants, chaque fois des informations erronées. On ne sait même pas finalement qui, c'est qui, réellement. Alors, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'interrogations que les gens se posent par rapport à ce qui se passe dans le nord Tilaberi Parce qu'aujourd'hui, le nord Tilaberi est plus dangereuse, une zone dangereuse que euh, dans le lieu du lac Tchad. Mhm. Parce que là-bas, au moins là-bas, on sait qui, qui vient attaquer. Mais ici, on ne sait même pas. Jusque-là, les gens s'interrogent. On dit qu'ils étaient venus du Mali. Oui, ils étaient venus du Mali, mais comment les gens peuvent venir avec toutes ces bases militaires, avec les drones qu'ils ont une comment on peut... Hein. non, mais comment on peut nous dire que chaque fois les gens traversent, ils viennent, ils tuent et puis ils repartent tranquillement, sans pour autant. Mm. Et, mais c'est même ce que les, les médias américains. Moi, je peut-être que c'est des informations vérifiées, mais quand même, il ne faut pas qu'eux aussi qu'ils mettent notre souveraineté en cause. Tout à fait. Parce qu'ils sont là-bas, ils sont sur ce territoire. Quand ils sont venus, ils disent qu'ils sont venus, par exemple, pour en appui à leurs forces qui sont un peu euh, euh, éparpillées dans la zone. Mais est-ce qu'ils ont exprimé une fois Il ne faut pas qu'ils nous accusent que nous, on ne veut pas. Quel pays ne veut pas afficher sa sécurité Nous savons qu'aujourd'hui, cette guerre qui nous est imposée, ce n'est pas que nous sommes à la base. Ils refusent même de nous donner les moyens pour que nous-mêmes, on assure notre propre sécurité. Voyez-vous le cas de la force G5 Sahel Jusque-là, on nous dit de mettre la force, mais on, refuse de nous donner. Ces mêmes Américains, jusque-là, cette force n'a pas la caution des États-Unis. Un mot par rapport à ça, Agumi euh, En fait, c'est d'abord euh, par rapport à la recrudescence de ces, de ces attaques. Mhm. Euh, moi, je pense qu'on idéalise un peu les forces étrangères qui sont sur nos territoires. Mhm qu'on leur donne certainement un pouvoir euh, qu'ils n'ont pas. Mhm. Euh, à l'épreuve, on se rend compte que personne n'a les moyens en réalité de voir qui peut rentrer et sortir du vaste territoire nigérien. Euh, ce n'est pas évident. Et j'imagine, je ne connais rien au métier de la guerre, mais les drones, étant donné qu'ils sont là cloués au sol euh, pendant les attaques mhm. qui se déroulent généralement les nuits ou vraiment tard dans l'après-midi. Euh, le temps de le déployer, euh, machin, les gens sont déjà répartis sur leur base. Mhm. c'est compliqué euh, c'est une autre guerre, euh, contrairement à Boko Haram qui venait se faire avec, les, avec ses membres qui, qui se faisaient exploser pour mhm. attaquer euh, au sein de la population. Ça, c'est une autre forme. Et qui s'attaque particulièrement au symbole vraiment de, de l'État et des forces étrangères euh, il faut faire extrêmement attention. Moi, ce qui euh, attire mon, attention par rapport à cette euh, avant-dernière attaque, parce qu'il semble qu'hier aussi, il y en a eu dans la région, dans la zone de Terra, c'est qui, c'est l'amalgame avec la population civile. Quand on dit qu'on pense que la population du village est complice et qu'ils ont euh, fait tout pour retarder les militaires qui étaient de passage chez eux, hmm. c'est extrêmement grave. La conséquence qui peut être, c'est quoi c'est aller en représailles au sein de cette population-là, c'est faire des tueries, c'est faire des arrestations, souvent qui ne sont pas fondées du tout. Euh, il faut faire éviter, il faut vraiment éviter. Dans la guerre, il y a les protagonistes et il y a toujours les civils. Les civils, ce n'est pas des combattants. Hmm. Maintenant, à l'État, à ces forces-là qui ont quitté leur pays pour soi-disant venir nous donner main forte, hum. n'est-ce pas, de développer le mécanisme d'identification de, ces personnes. Euh, tout à l'heure, lui il disait que euh, on ne connaît pas qui fait, contrairement à des fois où on sait qui vient attaquer mais vraiment, c'est une façon, c'est de mettre en place le mécanisme d'identification. Mm. Ce n'est pas euh, qu'il faut qu'on peut accuser n'importe qui. Actuellement, des personnes qui ont été accusées euh, d'être membres de Boko Haram sont en train d'être libérées à tour de bras. On se rend compte après deux ans, après un an et demi, après trois ans pratiquement de détention qui ne sont pour rien. Mm-hmm. C'est une violation des droits de l'homme il faut faire extrêmement attention, faire la part des choses, savons, euh, sachons raison garder, soyons lucides dans ce que nous faisons, dans ce traitement. Sinon, c'est juste une façon d'embraser la région. Parce que quand je ne me sens pas en sécurité de ce côté, je suis de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est généralement passé, par exemple, dans la zone de Difa C'est que souvent, euh, on te dit de dénoncer. Maintenant, qu'est-ce qu'il a, lieu de Attendez, Attendez, hein, tu dénonces et il n'y a personne pour te protéger. Le, matin, le, soir, on vient te gorger comme un mouton. Hmm. Mais les autres qui sont là, mais ils ne vont jamais dire ce qui est en train de se passer. Vous pensez donc que la population a peur Ah, mais, naturellement. Parce qu'eux ne sont pas armés. C'est leur terroir. Donc vraiment, euh, développons, l'État et ses va dire un mot pour que nous puissions. Euh, oui, je pense que il faut, quand Même, il rectifier, certaines choses. Tous les combattants de Boko Haram qui ont été euh, accusés de complicité, c'est pas, c'est pas, c'est pas, tous. Non, ceux qui ont été arrêtés, c'est pas tous qui ont été libérés. Il y en a qui ont été emprisonnés aussi, qui ont eu de peine de prison. Hmm. Il faut quand même dire cela. Donc il y en a, c'est vrai, qui ont été libérés, il y en a aussi qui ont été condamnés, euh, emprisonnés. Tout deuxième non, chose, non, soyons maintenant, deuxième chose. Moi, j'ai dit à tour de bras. Actuellement, déjà, je connais qu'il y une cinquantaine mais est libérée et qui n'arrive même pas à regagner sa Il y en a euh, aussi qui ont été condamnés. Il y en a aussi qui ont été condamnés, il faut ah, le dire aussi. Qui ont été pris les voilà, donc, mais c'est normal. Voilà, y en a donc ce que j'ai dit, ce que les Américains ont dit, c'est qu'ils n'ont pas dit que tout le village est complice. Ils ont dit qu'il y a des complicités. Et ça, c'est normal dans une guerre. Mais on sait très bien que dans le, matière de guerre, le premier élément, c'est le renseignement. Les terroristes aussi, ils l'appliquent, n'est-ce pas Maintenant, il s'agit de faire des enquêtes au niveau de ce village-là pour savoir qui sont les personnes qui sont soupçonnées d'avoir des liens. C'est tout ce qu'on a dit. On n'a pas dit de venir raser un village. Non, non, non. Le plus important dans tous les cas, qu'il soit libéré ou pas, ce qui intéresse, c'est d'arriver quand même à, réussir, cette, guerre Et celui qui est coupable, qu'on puisse le condamner. Tout mm. à fait. Merci. Autre chose à présent, les familles des détenus dans la présumée affaire de tentative de coup d'État de décembre 2015 ont rendu public samedi dernier une déclaration relative à la situation de leurs proches détenus dans ces déclarations, ces familles euh, de ces détenus donc dénoncent les conditions de leur détention. C'est pourquoi elles adressent ce message au président de la République, Issouf Mouamoudou. La déclaration est lue par Madame Hambali Leila Issa. Elle est l'épouse du lieutenant Hambali, un des détenus. Je vous propose d'abord de suivre un extrait de cette déclaration. Nous voulons donc ici affirmer en votre direction que les sentiments de fierté qu'un enfant éprouve généralement envers ses parents, nous le prouvons sans honte envers nos maris et pères qui sont à nos yeux injustement privés de leur liberté. Injustement parce qu'ils portent l'uniforme. Par cette déclaration de presse, traduisons aujourd'hui notre sentiment de tristesse mais de combativité. Nous voudrions témoigner aux yeux du monde entier notre amour et notre soutien impérissable à nos pères et époux. Qu'ils en soient rassurés, qu'ils ne perdent aucun gramme de leur honneur de patriotes du feu de cette injustice. Mieux, la nation et la situation inquiétante de l'insécurité nécessitent leur présence aux côtés de leurs vaillants frères d'armes du Niger. Nous continuons donc à croire à la justice enchantée pour un Niger que nous voulons meilleur. Propos recueillis par Seigneur Yuba Kaka. Issa Madougou de la FTT, on a bien l'impression que les familles de ces détenus croient plus à la magnanimité du chef de l'État qu'à leur jugement attendu dans les prochains jours. Euh, Qu'est-ce que vous en dites Moi, il y, a une phrase que, dans la déclaration qui m'a un peu. Euh, vraiment, je vais m'absenter sur ça. car elle dit qu'elles ont foi en la justice nigérienne, mhm. je crois bien que ça résume tout. Si vous avez foi en quelque chose, de qui attendons à ce que ça soit décidé. Mhm. Mais s'il y a des plaintes maintenant, d'autres griefs que, par exemple, leurs conditions de détention, moi, je pense que leurs avocats sont là. Parce que dans un centre pénitentiaire, ce n'est pas un camp de goulag. Il y a aussi, les prisonniers aussi, ils ont des droits. Mhm. Donc, moi, je pense qu'il faut que ça soit vraiment euh, euh, euh, une démarche participative et inclusive. Donc, il faudrait faire confiance d'abord à la justice et deuxièmement, vraiment s'il y a des griefs, des conditions de détention, je pense que leurs avocats devront saisir le ministère public pour le notifier cela ou bien la direction de, des services pénitentiaires. Mais moi, je pense que là, l'appel du président, au président. Le président peut le faire gracier. Tout est possible. Mais maintenant, comme c'est une enquête, parce que cette affaire de coup d'État, jusque-là, on, on, en parle, mais il n'y a pas véritablement, même l'instruction. On nous a dit en tant que, voilà, les enquêtes sont en cours, qu'il y a des arrestements, et un temps, c'est le blackout total. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement, quand il y a des accusations, il faut extrêmement être vigilant par rapport à ça, parce qu'il faut des preuves matérielles. Mm-hmm et la défense doit se constituer. Mais quand même, tout ce qu'il a lieu de faire, c'est vraiment d'implorer le président pour qu'il puisse vraiment les gracier. Et ça, ça va être vraiment une bonne chose. Mais maintenant, comme l'affaire est déjà au niveau de la justice, attendons voir ce que la, justice la, va. Décision la, décision, du juge. Hum. C'est très important. Parce que tant qu'on lance euh, une machine, il faut attendre que vraiment ça arrive à terme, le processus, pour voir maintenant qu'est-ce que. Euh, mais maintenant, quand déjà c'est déjà lancé, je pense que ça va être un peu compliqué encore de revenir sur. Euh, on voit les membres de ces différentes familles, euh, des personnes détenues. Ils montrent quand même euh, une situation un peu pitoyable. On a l'impression qu'ils sont en train de, pas d'exiger, mais de supplier pour que leur proche soit libéré. Moi je, les comprends parce que moi, si j'ai un membre de la famille parmi ces gens qui ont été arrêtés, c'est la même réaction. Comprenez C'est une réaction normale de, personnes qui ont des, êtres chers qui sont actuellement détenus. Mais comme l'a dit Issa, euh, le président ne peut, intervenir qu'après peut-être euh, une condamnation. Et là, mhm. en ce moment, il peut euh, gracier. C'est ça son, son, le pouvoir qu'il a, le pouvoir de grâce. le pouvoir de grâce voilà, le pouvoir de grâce n'intervient qu'après une condamnation. Mais pour le moment, ces personnes-là bénéficient de la présomption d'innocence. Et si, maintenant, d'abord si le président dit, bon, il faut les libérer, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que donc, c'est la preuve que le pouvoir la justice est instrumentalisée par le pouvoir. c'est la preuve que le pouvoir a une emprise sur la justice. C'est ça la, conséquence. Les gens ne se rendent pas compte. Donc, comme, le, Issa Madou l'a dit, il y a une instruction qui a été faite. Le procès est prévu selon certaines informations vers le 15 octobre, n'est-ce pas Donc, attendons de voir ce qui va se passer. Et peut-être même ce procès va permettre de laver encore d'autres personnes. Plutôt que dans le flou, les personnes demandent à ce qu'on les libère. Non, la justice est déjà enclenchée. Comme l'a dit Issa, si ce n'était pas enclenché, peut-être que les gens euh, pouvaient, chercher à ce que, bon, que l'affaire soit étouffée avant qu'il y ait l'instruction de la police. Mais à partir du moment où il y a une instruction, l'affaire au niveau de la justice, il faut attendre que la justice puisse se prononcer, qu'elle puisse dire un tel n'est pas coupable ou bien un mhm. tel est coupable. C'est la seule chose qui peut permettre de préserver les honneurs. Vous comprenez Concernant les conditions de détention, c'est clair. Euh, je pense que dans toutes les, prisons du monde, la prison, n'est pas, comme l'a dit Issa, n'est pas un goulag. Il y a des conditions euh, euh, selon le norme international de droits de l'homme qui doivent être garanties à tous les prisonniers. Si ce n'est pas le cas, je pense que les autorités doivent euh, prendre en charge cette question, vérifier les conditions de détention et améliorer ces conditions-là pour que correspondent aux normes internationales. C'est tout. Je pense que ce cri de cœur des, des, familles doit être euh, entendu. Et c'est vrai que c'est les avocats qui doivent vraiment euh, batailler et peut-être euh, alerter l'opinion internationale pour que peut-être les conditions de ces, de ces gens-là soient. Mais les autorités ont en charge de protéger les prisonniers, n'est-ce pas De protéger en tout cas leur santé jusqu'au jour du procès. Mm-hmm. De les nourrir décemment, n'est-ce pas Et même après. Mais c'est clair. C'est-à-dire que moi, je me dis que mhm. pour le moment, c'est des gens qui ne sont, qui, sont pas condamnés. Mhm. Donc, ce ne sont même pas des gens qui sont condamnés, si on peut supposer que. Mais des gens qui sont plus ou moins innocents, pratiquement, leurs conditions doivent être, meilleures que ceux qui ont été condamnés en prison. Vous mhm. comprenez Donc, je pense que ce qui de le cœur des familles doit être pris en compte. oui. Euh, non, moi, je, comprends parfaitement le, cri de cœur des familles. Quoi de plus normal qu'un enfant, qu'une femme n'est-ce pas, euh, euh, fasse ce qu'il peut euh, pour que son mari, son père euh, revienne reviennent à ses côtés. Mm. Euh, ce n'est vraiment, même s'ils avaient relevé le temps plus que ça, moi, je les aurais compris. Mm-hmm. mais il y a une entre ceux qui condamnent et ceux qu'ils peuvent accuser et eux, il y a quand même la justice. Et je crois que c'est ce qu'ils qui explique euh, le ton qu'ils ont adapté mhm. euh, dans notre pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir euh, préserver. Il y a encore je l'espère, ça va vraiment durer, un respect pour cette institution-là. Mhm. Tant que l'affaire, nous-mêmes ici, en fait, on parle avec beaucoup de gants, ça se voit. Euh, on porte des gants pour vraiment en parler. Tant qu'il y a la justice, tant que l'affaire est entre les mains de la justice, personne ne veut enfoncer. Mais ceci étant, c'est normal qu'ils s'impatientent, c'est normal qu'ils veuillent voir leurs parents dans de meilleures conditions. Euh, je crois que c'est très compréhensible. Il faut donc attendre la justice faire euh, son travail. Nous sommes quand même dans un contexte de séparation de pouvoir, comme le veut d'ailleurs euh, tout régime démocratique. Nous allons donc attendre de voir jusqu'au 15 ce que nous allons pouvoir euh, obtenir tout autre chose, euh, ouverture vendredi dernier à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de la session budgétaire au titre de l'année 2017. Durant 66 jours, les députés vont examiner et adopter le projet de loi de finances proposé par le gouvernement. Le projet de loi de finances de l'année 2018 a, arrêté le budget général de l'État à 1900,86 milliards de francs CFA, un budget qui fait couler beaucoup d'encre et de salive quant à la mobilisation des ressources et cela semble être euh, inéluctablement à tous les niveaux. Des abonnés de la Nigélec aux détenteurs de maisons. Issa Madougou, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette euh, approche, euh, une nouvelle approche participative, on peut dire, que prend le gouvernement Écoutez, moi je crois bien que on avait une fois parlé ici de ça parce qu'il y a une crise financière et économique que les gens sont en train de nier. Mhm. Aujourd'hui, la façon dont le gouvernement, moi, c'est la démarche que je n'ai pas du tout appréciée. Cette démarche aujourd'hui de faire, il est bon, pour tout bon citoyen doit payer ses impôts, ça c'est mhm. clair. Mais quand même, il faudrait le faire dans un contexte où les populations ont des revenus. Mais on sait qu'aujourd'hui, la morosité économique fait en sorte qu'aujourd'hui, le Nigérien, le citoyen lambda aujourd'hui, il souffre ce n'est pas une raison pour autant pour ne pas payer ses impôts. C'est ce que j'ai dit. Pour tout bon citoyen, doit mhm. s'acquitter de ses impôts. Mhm. Maintenant, est-ce que c'est à ce niveau-là que ça bloque Le Niger est à hauteur de, mobilisation de 15, je crois, 15% si je ne me trompe pas. Mais en fait, on peut faire rentrer de l'argent. C'est très simple. Si l'État a besoin de l'argent, faire récupérer ses droits, c'est très simple parce que l'État a les moyens. Il, a le pouvoir nécessaire pour amener les gens. Mais au niveau des grandes sociétés et consorts qui ne payent pas, qui passent pas des, circuits pas du tout orthodoxes pour étouffer. Mais c'est là-bas que moi je pense que. Mais le citoyen comme ça est imposé. Vraiment, moi je pense que c'est ça. On ne peut pas, à deux mois, maintenant, toutes ces nouvelles mesures-là mm. vont prendre effet à partir de janvier 2018. Mais c'est très tôt. Vraiment, c'était brusque. Comment faire amener les Nigériens parce que pour ce genre de questions, il faudrait un peu sensibiliser les gens que voilà les conditions qui expliquent cela. Mais on n'a pas expliqué, on, est venu seulement les parachuter. C'est un projet, ça va prendre effet en 2018. Oui. Euh, nous avons vu quand même la sortie euh, de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, de même que celle de la direction générale des impôts. Ils sont en train d'expliquer un peu pourquoi euh, toutes ces dispositions qui commencent à prendre effet. Pour la Nigelec, ça va être à partir sur les factures de février, donc consommation en janvier un mot par rapport à ça Non, bien sûr que je trouve que c'est comme Madgoul l'a dit, hein, euh, on est dans un environnement euh, de pauvreté. Mhm. Euh, si vraiment l'électricité, du coup, va coûter plus cher, si certains biens de première nécessité vont coûter un peu plus cher, mhm. ça ne peut être que catastrophique pour la mhm. population. il ne faut pas se le cacher. Euh, nous avons affaire à une population qui n'a pas beaucoup de marge. Et puis, euh, l'impôt, qui ne le paye pas mhm. En retour, qu'est-ce que euh, le citoyen lambda a par rapport à ce qu'il paye comme impôt parce que tant l'impôt qu'il paye que la dette qu'on va chercher pour cette population-là, mhm. c'est la population qui paye. C'est nous, c'est nos enfants qui vont payer. aussi, quel est le niveau d'exécution du budget qui finit mhm. N'est-ce pas On était à 1800. OK. Euh, qu'est-ce qui a été réellement mobilisé euh, Quelle est la part des euh, ressources internes mobilisées au plan interne Tout ça, on ne sait pas. Non, on nous parachute 2018 et on dit que tel, tel, tel doit coûter plus cher. C'est parce que nous, nous ne payons pas que l'État n'a pas de moyens quel effort l'État fait Le train de vie de l'État, nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises, n'est-ce pas Et euh, insupportable pour un État comme le Niger. 41 ministres. C'est déjà énorme. Des conseillers qu'on ne peut même pas compter. et, tout, ce beau monde, et tout ce beau monde qui n'arrive pas à changer la situation. Aujourd'hui, les enseignants chercheurs en grève, les enfants depuis deux jours ils ne vont pas euh, à l'école. Euh, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en sera des étudiants, qu'est-ce qu'il en sera des autres euh, fonctionnaires. Les, enseignants-chercheurs posent des problèmes d'arriérés de salaire et de retard dans le paiement de salaire. Ça veut dire qu'il y a une crise qui ne dit pas son nom et qu'on peut résoudre, qu'on veut résoudre de cette manière. N'est-ce pas En retour, qu'est-ce que l'État vraiment consent il ne faut pas mm. qu'on soit comme du temps de la colonisation, où euh, la population pour être à l'aise, il mm-hmm. faut être obligé de, payer. cet impôt-là et rester dans ton coin. Donc c'est euh, alternative, euh, comme chaque année, depuis plusieurs années maintenant, on envisage vraiment de revenir sur cette question du budget. Mm-hmm. Nos spécialistes vont disséquer le budget tel que proposé au Parlement et nous aurons à à faire notre session budgétaire le mois prochain, euh, histoire de faire comprendre aux citoyens et peut-être même à certains décideurs les tenants et les aboutissants de ce budget. Tout à fait. Il a expliqué quand même, il ne faudrait pas aussi que le gouvernement euh, considère que c'est juste des sommes à percevoir comme ça. Il faut aussi que le gouvernement fasse des efforts, notamment par rapport à cette situation de pléthore euh, qui existe au sein même du gouvernement. Il a expliqué, Garé, un mot par rapport oui, à ça. Oui, mais tout, le monde est d'accord que le, le, gouvernement est pléthorique, tout le monde est d'accord que, euh, euh, en même temps que chaque État, effectivement, pour mobiliser ses ressources, l'État parfois crée des taxes. Vous savez, c'est le propre des États quand ils ont des difficultés. Il faut créer des taxes et c'est comme ça. Mais moi, je suis d'accord pour la création des taxes, mais je pense que c'est les plus riches qui doivent payer. Mm-hmm. Pour moi, l'État peut trouver d'autres ressources au niveau des entreprises, au niveau des opérateurs de téléphonie mobile. Elle peut créer d'autres taxes au niveau de. C'est-à-dire qu'il faut pas que, il faut faire attention pour que le citoyen, le pauvre citoyen, ne puisse pas subir cette politique de rigueur vous comprenez mm. Donc je pense que si le budget est amené à l'Assemblée nationale, moi je ne connais pas les tenants, aboutissants de ce budget-là. Je ne le connais pas. Euh, c'est vrai que qu'Alternative va faire quelque chose de très important. Il euh, le, fait budget, chaque le budget citoyen, comme ils le disent, n'est-ce pas C'est très important parce que ça permet aux gens de comprendre effectivement en détail ce qui se passe. Mais ce que moi je voudrais, c'est que quand le budget il est actuellement examiné au niveau de l'Assemblée nationale, ce que les députés ne regardent pas leur coloration politique, qu'ils puissent faire des débats enrichissants. Mhm. C'est-à-dire qu'ils savent que dans ce budget-là, quelque chose ne va pas, qu'ils puissent en âme et conscience, même s'ils sont de la majorité, qu'ils puissent en âme et conscience euh, l'amender et demander à ceux que ça se soit enlevé pour que le budget devienne à des normes vraiment euh, acceptables. Je sais que euh, si, par exemple pour l'électricité, on a dit que oui, il y aura le kilowatt-heure qui va être diminué, en tout cas le prix du kilowatt va être diminué pour les consommateurs qui ont moins de 57% de consommation. Mhm. Bon, et, pour les gros consommateurs, ils vont être surtaxés. Bon, ça, je, comprends, vous comprenez, je comprends la, politique. Parce que le but, c'est de vouloir faire en sorte que les gens puissent économiser de l'énergie, mhm. en réalité. Donc, les gros consommateurs vont être taxés. Mais moi, par principe même, je vous dis, les taxes, je considère que si un pays a des difficultés, c'est les plus riches qui doivent, qui doivent casquer. C'est mhm. clair. On doit instaurer un impôt sur la fortune puisqu'il y a des gens qui sont fortunés, on doit instaurer un impôt sur, les propriétés immobilières. Il y a d'autres impôts qu'on peut, Ces impôts existent déjà, hein, je pense. Oui, mais, ce n'est pas recouvert. C'est pas, Souvent, c'est ça le problème pour les, Il y a des problèmes de recouvrement. Mais voilà, c'est ça le problème. Donc, il, y a des, moyens de mhm. pouvoir avoir de l'argent. Mhm. Il suffit simplement de le vouloir. Et, si on le veut, on peut le faire. Mhm. Sans, que la population ne puisse étouffer sous l'emprise des taxes. La population déjà nigérienne ne paye pas de taxes. Et on sait que le président Youssef, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il veut amener la pression fiscale à 20%. Aujourd'hui, on est à 12% on n'est même pas à 15%. Il faut accélérer, il, faut, accélérer, mais on se rappelle quand même que on dit bien que ça va quand même contribuer à la vie chère si c'est mal euh, mis en œuvre. Surtout, nous avons, nous avons la situation de 2005 euh, où il y a eu la coalition ce débat contre la vie Est-ce qu'il faut être dans cette euh, démarche de 2005 Issamadou Non, mais attendez, tout à l'heure c'est ce que faisait Kagari. le débat fructueux et intelligent dont on a besoin à l'Assemblée par rapport, quel que soit votre bord politique. Mm. Il, faudrait... avoir le courage Non, oui, de courage. Et puis vraiment de faire une, une lecture lucide mm. du projet. Mm. Même s'il y a des coques, il y a quelque chose qui peut, et qui peut avoir un impact négatif sur le bon fonctionnement peut-être de la société. Il faut le dire que ça, si nous l'appliquons, voilà, ça va étouffer les populations parce que les populations n'arrivent plus à supporter cela. Maintenant, pour le cas de l'électricité, vous savez, au Niger, la question de la Nigélec, ça frustre. Mhm. Parce que personne ne peut comprendre aujourd'hui qu'on dit qu'on va augmenter le prix du kilowatt pour une électricité que tu n'as pas tout le temps. Mhm. Il y a des coupures sans explication. Et aujourd'hui, on ne sent pas aujourd'hui, et comment on appelle l'implication de la Nigélec aujourd'hui à mener des réflexions pour trouver d'autres alternatives. Nous sommes toujours dépendants. Ça fait plus de 50 euh, ans qu'aujourd'hui, nous n'arrivons même pas. Même le central Gourbanda, que la Nigélec doit supporter maintenant le carburant, le fil. Ce n'est pas le fil que nous consommons et nous fabriquons et nous produisons ici à la Soraz. C'est du fil lourd. Donc vous voyez un peu, c'est très complexe. Donc même ces taxes-là, aujourd'hui, le gouvernement doit vraiment faire en sorte que il, faut faire des taxes, il faut recouvrir les taxes, il faut on peut créer de nouvelles taxes, mais faire en sorte que ça ne puisse pas vraiment avoir un impact sur le quotidien des populations. Déjà, nous sommes dans un contexte de paupérisation il faudrait faire extrêmement eh, attention. Parce, que sans ça, on devrait se retrouver dans une situation que tout le monde ne souhaite pas, une grogne sociale généralisée à tous les niveaux. Mm. Parce que c'est ça qu'il faut éviter. il, faut mettre, il faut mettre vraiment les populations même en contribution. Parfois, on prend des décisions où on ne prend pas. Euh, il, faut, il faut faire payer ceux qui devront payer. nous espérons bien que tout cela va être pris en compte par euh, nos représentants, par les députés nationaux au cours des. On l'espère, on l'espère, on dit bien. Ce débat futur existe au niveau de cette assemblée. C'est fini ça là on l'espère quand même, il faut toujours continuer à espérer. Parlons élection à présent. Suspense levée depuis le lundi 9 octobre dernier. Le tandem Isaac Sunna et Alado Amada est confirmé par le président de la République pour la présidence et la vice-présidence de la nouvelle CENI permanente. Issa Madougou, avez-vous été surpris par cet aboutissement Non, pas du tout parce mhm. que euh, pour le poste de euh, président, il y avait une commission qui avait fait un travail scientifique qui ils ont auditionné même les gens, ils ont noté les candidats. Donc à l'issue, il y avait trois candidats pour le euh, poste de président Sunna, euh, Moumouni et un autre que j'avais oublié son nom. Donc même dans les notations, que Sunna les dépasse. Mhm. Ils ont fait l'oral, ils les dépassent. Maintenant pour le poste de vice-président, encore c'était le même cas. Donc il y a Aladoua, il y a Idi Abdou et Amadou Hassan. Donc, mm. mais c'était là-bas que, mm. au niveau de la réunion du CNDP, ils se sont pas entendus. parce que c'était une, réunion à sens unique, hein, mais quand même, il y avait eu le débat. Parce que c'est seulement les, partis membres de la majorité. Mais quand même, il y a eu vraiment le débat. Les gens se sont prononcés par rapport à ça. Et des gens qui sont du pouvoir sont d'accord à ce qu'on garde Boubacar Hassan. D'autres n'étaient pas d'accord parce qu'ils disent que non, c'est un gars qui critique le pouvoir. D'autres ont dit non, nous devrons vraiment faire en sorte que cette CENI soit vraiment appréciée par tous les Nigériens, car la CENI n'est pas un machin de, de, pouvoir. La CENI doit travailler pour tous les Nigériens. Moi, je pense que peut-être que c'est ce débat-là qui a fait en sorte qu'ils sont revenus encore sur parce que c'est Idi Abdou qui a été proposé. Mhm. Maintenant, ils sont revenus sur le troisième. Mais quand même, dans la notation, Bobo les dépasse parce qu'ils sont tous euh, vraiment. Gary, euh, quelle euh, analyse quant au degré de consensus qui a abouti à cela moi, je déplore d'abord l'absence de l'opposition au, sein du, mhm. sein CNDP. je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment triste pour la démocratie nigérienne. Parce que je les ai vus après euh, faire des gesticulations par rapport à ceux qui ont été choisis. Vous qui n'avez même pas participé au débat, vous qui avez refusé de participer au débat. Ils avaient avez... posé des préalables. Non, mais écoutez, les préalables étaient ridicules, je vous l'ai dit sur ce plateau. C'était mhm. ridicule. Et vous avez posé des préalables. Vous avez dit, bon, tant qu'on vous, vous, vous, ne siégez pas. Le CNDP se réunit, n'est-ce pas Il choisit ces gens. Et non, vous avez, vous permettez maintenant d'apprécier les gens qui ont été choisis. Vous dire que non, non, vous, vous n'êtes pas d'accord que non asseyez-vous, discutez. Et mm. discutez et faites des propositions. Et quand vous faites des propositions en ce moment-là, on sait que vous avez, vous avez fait ce que vous savez que votre, de votre devoir. Mais en laissant le champ libre à la majorité, l'opposition euh, a, pratiquement démissionné. Pour moi, elle n'a pas le droit de regarder ce qui se passe. Pour moi, elle devait rester dans sa, dans sa logique et considérer que peut-être qu'il n'y a pas de, CENI. Non. Mais, elle n'a pas participé. Mais, le problème, laissez, oui, laissez-moi, laissez laissez finir. Le problème, et, ce que, même si on choisit des gens au niveau du CNDP, le mécanisme est prévu de telle sorte que c'est le président qui choisit. Mhm. C'est-à-dire que le président peut rejeter ce que le CNDP a choisi. C'est ça le mécanisme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne est, bien, est, bien, notée ou que la personne a été choisie et la preuve a été donnée parce que celui qui était euh, censé seconder Issa Kassouna a été recalé par le président de la République. Le président il n'en veux pas. Il avait le dernier mot. Voilà, il avait le dernier mot. Voilà. voilà. Abba, en fait, euh, ce que, la question qu'il faut se poser à ce niveau, c'est comment faire pour faire euh, revenir la calmie au sein de la classe politique nationale. L'opposition a son mot à dire parce que les élections concernent. tout le monde. les élections. ça euh, concerne les élections, le monde. Ça concerne tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, ça ne devait même pas susciter autant de débats mhm. si ce n'est que la capacité des hommes à gérer une telle euh, institutions. Mais mm-hmm. ben, malheureusement, euh, les, échos qui nous sont parvenus, euh, c'est de dire que non, interne ne le voulons pas parce qu'ils nous critiquent, interne ne le voulons pas parce qu'ils soutiennent les partis membres de l'opposition, alors que un travail scientifique. Maintenant que le décret est déjà signé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire euh? Non, je crois que l'opposition semble être d'accord. Et mm. puis nous avons malheureusement affaire à une opposition qui n'est pas capable de faire changer des choses. Moi, c'est un constat triste euh, que je, je, fais parce que dans la rue, ils ne mobilisent pas, sur, même dans les débats euh, médiatiques. Donc ils doivent revenir à la table des négociations. Ils vont, pour ils vont revenir. Mm. Par contre, par contre, euh, qu'une opposition décide de boycotter euh, une instance, euh, comme le CNDP, moi je pense que c'est tout à fait normal. Ça fait partie vraiment de, de, de la règle. Euh, et ils ont aussi, en tant que citoyens, après de, de de de de critiquer les décisions qui sont issues. C'est comme Permettez, ça que ça Permettez-nous d'aborder le dernier point de, ce forum. Donc je ne critique pas. Non, ce n'est pas comme <laughs> ça. On aborde le dernier point. Terminons, terminons avec euh, du sport. Euh, ce sport, oui, après la grande victoire contre la Corée du Nord, un but à zéro mardi dernier, c'était quatre buts à zéro en faveur de l'Espagne. Le MENA Cadet vient de jouer son troisième match cet euh, après-midi même. Et le score est malheureusement triste, 2 buts à 0 en faveur euh, du Brésil. Oui, Arémi Abba, quelle perception faut-il euh, avoir de ce parcours de nos ambassadeurs sportifs ah, Pour moi, c'est un comportement tout à fait euh, logique. Mhm. C'était, C'est conforme à mon pronostic à moi. Mhm. bien sûr que le pays, la, Corée du Nord, en tant que pays plus ou moins fermé, dont le football n'est pas vraiment la discipline phare, euh, j'ai pensé je que qu'on pouvait, on pouvait le gagner. Et j'étais sûr, très persuadé jusqu'à ce matin, euh, j'ai eu des débats avec des gens, que le Brésil allait gagner le Niger, il n'y avait pas match. Mhm. Par contre, je suis satisfait. Mhm. Euh, je pense que Soumaïla a pu mettre en place un système qui lui a permis de contenir cette dangereuse équipe du Brésil, qui compte d'ailleurs parmi les favoris, en gagnant, en perdant seulement 2-0 euh, mm. Donc ça n'a rien à voir avec la défaite contre l'Espagne qui était à 4-0. Et je crois que c'était le match de contact avec le haut niveau. Jamais une équipe nigérienne n'a croisé une équipe nationale de l'Espagne. En tant que spécialiste euh, bah, euh, du football, est-ce à, dire, alors que nous avons gagné ou bien non, en ce moment on passe, on passe, La bonne nouvelle, c'est qu'on passe en huitième de finale. En huitième de finale. Oui, on est, l'un des quatre meilleurs troisièmes. Mhm. Donc on va en, en, huitième de finale et probablement on va croiser euh, le Ghana, mhm. euh, qu'on connaît mieux Mm. Euh, c'est l'équipe du Ghana que nous connaissons le mieux. C'est donc une bonne nouvelle, merci pour cette une bonne, nouvelle. Et... et Samadougou, un mot pour terminer, puisque nous sommes au terme de cette émission. Oui, moi je pense qu'il faut d'abord féliciter ces jeunes. Tout à fait. Moi, ma fierté, c'est le fait de voir le drapeau nigérien flotter dans ce stade. Mm-hmm. Même si on nous élimine. C'est la première fois qu'on oui, un Même si on nous élimine, vraiment, c'est une fierté. et surtout avec le premier match. Ces jeunes-là, on devrait les encadrer mm-hmm. pour le futur. Tout à fait. Gagnez un mot et en quelques secondes. Ce que je dis, euh, c'est une équipe nationale en construction avec ces jeunes-là parce que mhm. leur poule n'était pas une poule facile quand même. Mhm. Parce que c'est les grands favoris qui étaient de la poule du Niger, l'Espagne, le Brésil. C'était très difficile, mais mhm. vraiment, ils sont sortis la tête. Ils ne sont pas éliminés, mais ce qu'ils ont fait, c'est vraiment époustouflant et vraiment, nous les encourageons pour la suite. Merci, merci. Félicitations donc au Mina KD. Nous sommes fidèles auditeurs au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu qui a eu pour thème plusieurs sujets et a marqué l'actualité de la semaine. Nous étions en compagnie de Gary Amodou du journal La Nation, Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré et enfin Arimé Abba de la radio alternative au micro. C'était Michel Degé pour la présentation à la technique Seine la réalisation Zadbawa. Merci à tous et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Oh, merci.